auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de la semaine de votre émission Les Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Habiba Ahmed. À mes côtés, j'ai Ali Munkela Ouseni. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien Habiba, j'espère idem de ton côté. Tout bien Seno. Alors pour le programme du jour, nous démarrons par les flèches d'information comme à l'accoutumée. Et oui, Abiba, toujours dans cette émission, nous aurons la rubrique santé en hein, plus, hein, et puis s'ensuivra s'en suivra la rubrique portrait, la rubrique culture linguistique et une page sport. En écho des régions, nous ferons un tour à Zender. Et comme invité, nous recevrons Yusufu Dodo Alazi. Il est étudiant en Master 1 à la Faculté des sciences et techniques de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Il est également cofondateur de l'entreprise Ninotech. Et oui, il a développé un système informatique appelé Télésaf ça permet aux téléphones portables de prendre conscience s'ils sont entre les mains de leurs propriétaires. Avec la configuration de ce système, si un téléphone est volé, les propriétaires peuvent avoir l'opportunité de retrouver son téléphone. Il nous en dira plus sur ce système informatique que son entreprise a développé. Et oui, le Niger sur Kalangu, c'est aussi la consommation 100% de la musique nigérienne. Top, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Chers auditeurs, sans tarder, euh, voici pour vous le flash d'informations présenté par Habib Garba. Bonjour Habib. Bonjour Seno, bonjour Habiba, bonjour euh, auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou. Seno, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman a signé hier lundi 1er juillet 2024 une ordonnance portant suspension de la délivrance des titres de détention coutumière. Au terme de cette ordonnance, il fait interdiction aux autorités administratives et coutumières de procéder à toute délivrance d'attestation de détention coutumière jusqu'à nouvelle législation. Cette suspension, indique le communiqué, concernant tous les terrains relevant du domaine public et du domaine privé de l'État. Enfin, il a demandé aux conservateurs de la propriété foncière et du droit foncier du Niger de redoubler de vigilance pour parer toute tentative visant à contourner frauduleusement la réglementation à la matière. Tawa, le secrétaire général du gouvernorat d'Ottawa, Aruna Asakale, a procédé également hier lundi 1er juillet 2024 au complexe scolaire privé Gandou de la ville d'Ottawa au lancement des épreuves écrites de l'examen unique des certifications d'économie familiale EF et, d'éducation physique et sportive EPS. Ils sont au total à 97 candidats, dont 117 candidates en EF et 20 candidats EPS regroupés dans le centre unique d'Ottawa à subir les épreuves écrites de cet examen unique de certification et pour Maradi ou à la fin de la troisième décade du mois de juin 2000, du mois de juin 2024, 2370 villages agricoles ont effectué les semis humides dans la région de Maradi, soit 89% des villages agricoles de la région, a indiqué la direction régionale de l'agriculture. Au plan du stade phénologique des plantes, la dominance élevée avancée pour le mil et des 44%. Concernant la situation phytosanitaire, l'on note l'apparition des ennemis des cultures comme des chenilles sur le mil, le sorgho dans le département de Gazawa et Agui. Aussi, on note des attaques sur le mil, le sorgho, le maïs à Rumji et dans la communauté urbaine de Maradi. L'ensemble des déclarations enregistrées font état euh, d'attaques de 751 hectares, mais tous traités à la fin de la troisième décade. C'est tout pour euh, le flash d'aujourd'hui. Merci, Merci Habibou. pour toutes ces informations. Passe une excellente journée. Chers auditeurs, comme annoncé plus haut, nous sommes en compagnie d'Issoufou Dodo Alazi, cofondateur de l'entreprise Ninotech. Bonjour Issoufou. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Alors, M. Issouf, votre entreprise a développé un système informatique appelé Télésaf. Avec vous, nous parlerons de ce système. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nous allons écouter la première musique de notre playlist. C'est parti avec le titre Aninoberei du groupe Keidan Gaskia 2. Kandilibera, Kandibera, Berei Kanga. Anino Berei de Kedangaskia, euh, c'est un titre euh, puissant qui dénonce euh, les conditions précaires des enseignants au Niger, depuis le primaire jusqu'à l'université. Le groupe y décrit les défis quotidiens que que ces éducateurs rencontrent, salaire bas, manque de ressources et absence de reconnaissance. En soulignant aussi la dégradation des conditions de travail dans le secteur éducatif, met à lumière une problématique sociale urgente et pousse à la réflexion sur la valorisation et les soutiens nécessaires pour ceux qui forment les générations futures. Ces morceaux restent une critique sociale poignante et actuelle. Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Amino Berei. Revenons à notre invité, Monsieur Issoufou. Rebonjour. Bonjour, bonjour. Tout en espérant que vous avez aimé cette chanson du groupe Kedan Gaskia. <laughs> Super, vous avez aimé ah oui. D'accord. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours académique et ce qui vous a inspiré à cofonder Ninotech merci beaucoup. merci de m'avoir d'abord accueilli dans ce studio Kalangu. Je remercie le Tout-Puissant encore qui nous a réunis à l'occasion de cette, journée dans des conditions mhm. agréables physiques et morales. en ce qui concerne mon cursus académique, euh, j'ai un certificat 2012, euh, un CFEPD e 2017, les baccalauréat 2020. Et après le baccalauréat, je me suis inscrit à la faculté de sciences et techniques à l'IAM. Université Abdou de Niamey. Université Abdou de Niamey, oui, exactement. Mm. Donc, euh, trois ans après, donc 2023, euh, j'ai fini ma licence et je me suis inscrit maintenant euh, actuellement en Master 1 en informatique fondamentale et appliquée. Informatique fondamentale et appliquée. Habiba, je vous laisse l'honneur. <laughs> ok. Issoufou, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à développer Télécef euh, pour développer Télécef, euh, c'est exactement dans notre passion de vraiment innover la technologie. Comme nous avons dit, Ninotech, c'est Niger Innovation of Technology, l'innovation de la technologie au Niger. Et à, euh, mis à part ça, nous avons une chaîne YouTube dans laquelle nous faisons des formations et des séminaires euh, dans, la chaîne YouTube. Et maintenant, dans, ce, dans le cadre où nous avons eu l'idée de Télécef, c'est le... C'est lorsque nous avons, euh, nous avons commencé un sujet très très pratique qui va permettre aux gens de configurer leur, leur téléphone. Et maintenant, lorsque nous avons commencé à avoir d'idées sur ça, et nous nous sommes dit que Là, euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas de garantie mm. sur le système parce que lorsque euh, on donne la formation, la personne peut l'appliquer. Mais quand, par exemple, quelqu'un va prendre le téléphone, il peut pouvoir désinstaller le, programme et que ça ne peut plus marcher. Donc, mm. nous avons dit que donc, dans ces cas, pour que ça soit vraiment quelque chose de, plus résistant et de plus confiant, il, va falloir que nous créions notre propre système mm. sur ça et c'est ça l'idée des télésefs. Ok, alors euh, euh, comment fonctionne euh, l'algorithme de Télésap de cette application pour savoir que le téléphone est effectivement entre les mains d'une personne qui n'est pas son propriétaire. Voilà, exactement. Tout euh, travaille avec les informations que la personne avait configurées dans le téléphone portable. Lorsque vous avez votre téléphone Android et que vous venez euh, on va prendre euh, votre euh, numéro de configuration du système et le numéro encore de la personne à qui on va renvoyer les informations lorsque son numéro son, numéro de, téléphone oui le, numéro de téléphone la, SIM, que vous voudrez configurer et un autre numéro de confiance parce que lorsque le téléphone n'est pas, n'est pas avec vous, hmm. donc il va falloir un autre numéro de récupération des données. Donc c'est comme ça que l'algorithme marche. Et lorsque vous, vous, configurez votre SIM, ça c'est le premier algorithme, il y a beaucoup d'algorithmes. Le premier algorithme, si on insère une nouvelle SIM, donc il va directement détecter, c'est ça même euh, que nous avons eu à faire, la détection des éléments matériels intégrés dans un téléphone Android. Donc il va détecter et savoir que ce n'est pas la SIM configurée automatiquement, il envoie les signaux de nouveaux utilisateur, nouvelle SIM, le numéro, vous allez avoir le numéro du téléphone de celui qui a pris le téléphone et vous allez avoir la localisation. Il vous envoie ça automatiquement. ok la localisation de la, personne qui a pris votre téléphone. Oui, exactement. Ça, c'est super. Est-ce que euh, c'est une application qui fonctionne sur tous les modèles de smartphone Android ou Apple euh, pour le moment, nous avons euh, la partie Android. Android, nous n'avons pas développé pour Apple. Si jamais le téléphone est effectivement volé, comment procéder pour le retrouver Comment procéder pour le retrouver Donc euh, là, euh, il y a tout un certain nombre, comme je vous ai dit, d'algorithmes qui sont implémentés. Je vous ai fait euh, le cas du, premier. Mhm. Il y a encore un autre qui peut vous permettre de, mentionner de la plateforme que le téléphone est, volé. Et lorsque, et lorsque la personne n'a pas mis une SIM encore. donc, il va peut-être un jour, il va se connecter à l'internet. Il y a un autre algorithme qui va permettre de, de récupérer euh, encore les informations, les Gmail et autres informations insérées nouvellement dans le téléphone et vous envoie de la même manière sur, euh, le, sur, votre, sur votre Gmail. Et l'autre euh, manière de récupération, il vous envoie, c'est que là aussi nous avons utilisé un API. API, ça veut dire interface programming system. Donc, euh, je dis dit pas système. Et maintenant, lui, les API, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous permettrait C'est un API de Google Maps que nous avons, que nous avons intégré. Et lorsque vous cliquez sur euh, le lien qu'on vous donne, automatiquement, il vous renvoie au niveau de la, au niveau de la localisation. Et vous allez suivre la localisation, c'est un, euh, c'est une localisation Maps jusqu'à arriver à l'endroit. Et avec précision, même si vous avez votre téléphone comme ça, si vous bouger un peu, les coordonnées vont changer. C'est tac-tac. À, c'est à l'instant T, quoi. Oui, exactement. <laughs> Et pourquoi cette application n'est pas encore disponible dans les Play Store Oui, euh, cette application n'est pas euh, vraiment, c'est le sujet qu'il faut aborder parce que euh, ce que nous avons pris comme politique de confidentialité, si, nous prenons cette application et la mettre sur Google Play Store, il n'y aurait pas une authenticité d'identification. Parce mm. que tout le monde peut prendre un téléphone portable, et même celui qui a pris peut-être un voleur ou bien quelqu'un peut prendre le téléphone et se configurer, se donne le droit de dire que c'est lui le propriétaire du téléphone. Donc il n'y a pas de confidentialité dans l'affaire. Mm. Donc il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui va euh, vraiment être vigilant. Euh, de savoir que vraiment ça vous appartient et il vous configure là, c'est un certificat, on vous certifie. C'est pour une question de sécurité. C'est pour une question de sécurité, exactement. Il se faut combien de temps vous a pris le développement de cette application Le développement de cette application, comme euh, tout projet informatique, euh, s'il y a les informaticiens qui nous écoutent, d'abord la première des choses, c'est euh, vraiment l'idée. Si vous avez l'idée, c'est quel que soit le projet, vous allez voir mm. progressivement avancer. Donc lui, pour TLSF, nous avons tout simplement fait ça dans, dans un intervalle de moins de deux mois. Wow. Oui. okay. Alors, quels quel avez-vous rencontrés lors du développement de Télécef et comment les avez-vous surmontés Voilà, les défis, il y a toujours des défis parce que le premier défi que nous avons eu euh, était également avec les versions Android. Les, versions Android, il y a, y a d'autres manières que nous avions fait avec les Android qui sont des niveaux Android 9 vers les, bas, donc euh, au plus 9. Et, ça marche complètement avec. Lorsque nous avons utilisé les Android 10, 11, 12 jusqu'à jusqu'à 14, là aussi, il y a, y a des choses qui ont été modifiées. Mais avec ça, nous avons eu à faire, euh, comment elle s'appelle, à chercher une autre idée qui va faire en sorte que ça marche pour, tout, euh, pour toutes les versions actuellement euh, de l'Android. D'accord. Ok, Issoufou, merci. Dans cette première partie de nos échanges, nous retenons que tout est parti d'abord par votre passion d'informaticien. Euh, vu que vous êtes euh, au département de maths informatique appliqué si euh, je ne me suis pas trompé. Voilà, donc tout est parti de là. Et aussi, c'est après avoir suivi une formation que vous vous êtes dit qu'il va falloir déjà vous lancer dans l'innovation et vous avez mis en place votre entreprise Ninotech et c'est de là que tout est parti aussi pour mettre en place ce système informatique. Nous allons continuer, mais avant, de poursuivre, faisons une pause musicale avec cette chanson Huno du groupe de rap 6914. dégagé, dégagé, dégagé. Oui, on ne pourrait c'est. Birkitik, birkiti mon birkitik, birkiti armo, birkitik. Hey, ne ma hawi bay ne mo. Du du du du barkari, barkari hasa, hasa dan dan, dan dan kula, kula hansay, hansay daga, daga full full full full do, do maimuna, maimun se. Hey, kochiyo, ay dalago niga, ay dalago niga, hey kochiyo, ay dalago niga.

Non, un titre percutant du groupe Nifa 6914, un titre qui a fait vibrer la scène musicale nigérienne. ces morceaux à langue zarma signifiant dégagé, mari de paroles incisives et un rythme exotique envoûtant destiné à faire danser Huno s'adresse aux jaloux et invite les publics à se libérer de leur influence. Et oui, avec euh, son énergie contagieuse, euh, il renforce la réputation de Nif 6914 pour leur production qui captive et galvanise leur audience. Mmh. about a mm Dégagez, C'était là le titre Huno du groupe des rap NIF 6914. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalango, une émission très riche en informations utiles pour votre vie quotidienne sur toutes les thématiques poursuivons nos échanges avec M. Issoufou Dodo. Pour rappel, il est cofondateur de l'entreprise Nunotech, l'entreprise qui a développé le système informatique TLSF. Alors Issoufou, comment TLSF garantit-il la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs la confidentialité des données des utilisateurs, d'abord, euh, lorsque vous avez les, euh, je veux pour donner un aperçu encore de comment, euh, comment il s'appelle, structurer le système. Le système, euh, c'est une architecture client-serveur les informaticiens comprennent de quoi je parle. C'est une architecture où vous avez. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu parce que beaucoup de nos auditeurs ne sont pas des, informaticiens. Une architecture client-serveur. Donc, euh, je vous prends les cas, les cas pratiques euh, mhm. de, où même le nom est sorti. C'est comme par exemple dans un restaurant, il y a les clients qui viennent acheter des comment s'appelle euh, des plats et il y a le serveur et ils sont là, ils vont vous demander qu'est-ce que vous voulez. Mais exactement vous vous prenez seulement les plats, mais vous n'avez pas encore euh, accès à savoir euh, on a utilisé telle chose, telle chose, ça a duré tel moment ou quoi. Donc c'est ce genre d'architecture. Nous avons mis un programme, euh, un programme serveur qui, est qui va être incorporé dans le téléphone, qui va avoir les renseignements nécessaires, de l'enregistrement et qui va comprendre s'il y avait eu, euh, comment s'appelle, des désordres comment il s'appelle, le, si, si, les informations sont changées. Et il y a un client, lui, un client, là, c'est une application mobile. Vous pouvez l'installer sur votre téléphone. Elle, elle va avoir les signaux de ce que le serveur a fait. Donc, s'il a détecté quelque chose, elle va vous prendre et vous afficher, vous dire que voilà ce qui se passe. Donc, l'autre, le serveur, pourquoi l'idée du serveur C'est parce qu'il ne soit pas désinstallable. Lorsque vous prenez euh, le téléphone et que vous voyez le système, vous pouvez le désinstaller et qu'il n'y a pas de garantie de sécurité. Mais tant que c'est le serveur, c'est un service, il tourne, mais il est invisible. Sauf celui qui l'a créé, il sait comment il fonctionne. Il peut l'enlever lui s'il veut. Mais ça, c'est pour garantir aux clients ou bien à quelqu'un qui voudrait euh, intégrer le, système que lorsque vous le mettez, on ne peut pas le suspendre, on ne peut pas l'arrêter parce qu'il est invisible. Ah, c'est génial. <laughs> Lorsque le système est intégré dans le téléphone, euh, donc euh, il n'y a pas question de, de, de, de détourner ce système. Genre, euh, par exemple, les pirates, c'est comme ça vous les appelez en <laughs> langue des informaticiens. Oui, les, pirates ne peuvent pas pirater ce système-là. <laughs> Bon, les pirates, quand on parle de pirates, là aussi encore, c'est un peu avancé parce qu'il mm. faut avoir, comment ça s'appelle, le contrôle mm. du, télé, du, du, téléphone. Et là aussi, c'est un peu presque abstrait d'avoir les services qui marchent mm. et pourquoi ils marchent. C'est ça, la difficulté. Il n'y a pas de souci, c'est noté. Quel impact espérez-vous que Télésaf euh, aura sur le problème du vol des téléphones portables vraiment euh, l'impact pour les utilisateurs, n'est-ce pas Exactement. Donc vraiment pour les. Est-ce que ça va réduire le nombre de vols de téléphones Est-ce que ça va empêcher Exactement, ça va, ça va réduire. Parce que lorsque même euh, celui qui prend les téléphones des, des voleurs, s'ils se rendent compte que vraiment il y a un système qui est là qui peut poursuivre mm. la personne, vraiment c'est très difficile pour d'autres de ne pas changer de métier euh, en guise de ce, de genre de programme. Et encore, ça peut permettre, même pas pour les cas de vol, lorsque vous déposez votre, votre téléphone, euh, portable quelque part, vous ne savez pas là où il se trouve, il suffit de prendre le téléphone d'un ami et vous, vous, avez, vous, allez vous connecter sur votre compte et vous allez avoir la localisation. De là où se, se, trouve votre téléphone. peut-être euh, c'est en ville, vous marchez sur moto dans la nuit, le téléphone peut tomber et que peut-être personne ne l'a vu. Et alors, encore avec le système, vous pouvez localiser votre téléphone et venir le prendre, même si vous ne connaissez pas là où exactement le téléphone est tombé. Avec la localisation, ah, c'est possible. C'est intéressant. <laughs> Quels sont vos plans pour l'avenir des, Télésaf et des NinoTech ouais, Les plans pour euh, Télésaf et, Ninotech. Les projets d'avenir. Les projets d'avenir, <laughs> voilà. Donc, euh, encore pour, le, pour, pour, les projets d'avenir, euh, d'abord, lui, le TLCF, euh, il faut que je le dise maintenant. Euh, d'abord, vraiment, c'est que nous sommes à une version, mais nous ne considérons pas que la version est finale, parce que c'est avec l'utilisation, avec l'avis des utilisateurs, que nous allons comprendre la performance des algorithmes que nous avons mis. Actuellement même, nous sommes en train de mesurer la survie des services. C'est pourquoi maintenant nous n'avons pas commencé à les propager à travers euh, ceux qui veulent, euh, à travers les utilisateurs. Hmm. Donc il faut mesurer tout cela, il faut compter parce qu'il y, y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent dans les mêmes téléphones. Et donc, lorsque vous avez plusieurs systèmes qui marchent dans un, dans un même euh, appareil ou bien ordinateur, il y a, y a, ce genre de conflit. Il y a d'autres services qui vont vouloir euh, mettre d'autres en arrière-plan. Donc, il faut que nous savions que notre système est carrément fort, qu'il peut être à tout moment en marche, il ne peut pas être bloqué certaines autres choses. Hmm. Et la vision pour Ninotech, nous avons dit que c'est Ninotech, c'est Niger Innovation of Technology. Vraiment, nous, ce que nous voudrions vraiment, c'est atteindre un certain leadership où ici, tant qu'on parle de la technologie, les Niger ici, on n'a pas besoin d'aller quelque part pour euh, parler de la technologie. On ah, peut le faire. Même d'autres qui sont quelque part peuvent venir ici au Niger pour avoir certains euh, comment s'appelle services sur, les, la technologie. Que le Niger soit en tout cas euh, la référence dans le monde entier en termes de technologie, ça c'est euh, une, grande ambition. Vraiment. Merci <laughs> infiniment. Donc dites-nous. Avez-vous avez reçu des soutiens ou des collaborations pour le, développement de, de, de, Télésaf Oui, le Télésaf, pour pour le cas de... L'autre point, c'est quoi même je, disais tantôt, avez-vous reçu des soutiens ou des collaborations pour le développement de Télésaf Est-ce qu'il y a des personnalités qui vous ont soutenu Est-ce que vous avez collaboré avec d'autres euh, structures qui, œuvrent aussi dans le domaine de la technologie pour mettre en place euh, euh, ce système Télésaf oui, ce système TLCF euh, pour la collaboration, euh, c'est déjà, nous sommes une équipe, donc c'est avec, euh, c'est à travers l'équipe, c'est en équipe que nous avons, comment ça s'appelle, développer mm. les systèmes. Et pour les soutiens, vraiment, nous avons eu les soutiens de beaucoup de gens qui sont au courant du mm. système et même de nos amis mm. avec lesquels on partage la même section et d'autres. Et vraiment, nous avons eu ces genre d'accompagnement. Quel retour avez-vous eu des utilisateurs de TLCF les utilisateurs de TLCF, pour le moment, comme je vous l'ai dit, c'est nous qui sommes euh, <laughs> les utilisateurs. Nous n'avons pas commencé à les propager. Il est en cours de maintenance. Il faut que nous mesurions les services euh, de ces services. Mais nous, ce que nous pouvons dire de, du test que nous avons fait, parce que euh, même la semaine passée, nous, nous étions au, euh, au, laboratoire de maths informatiques nous avons testé les systèmes, nous avons pris euh, le, euh, un, téléphone. L'équipe est subdivisée en deux. D'autres sont partis quelque part pour se cacher. Vous êtes combien dans, les différentes équipes L'équipe, de, les différentes équipes, l'autre, nous sommes scindés en deux et trois. Ok. Oui, oui. D'accord. Alors, euh, merci infiniment, Monsieur Issoufou, d'avoir répondu à notre invitation, mais également d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci. Merci, à la prochaine. Habiba, on prend une pause. liée à la technologie. <laughs> Inch'Allah. <laughs> on prend une pause, Habiba, et on revient juste après. D'accord. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de l'émission Le Niger sur Kalangu. Nous sommes mardi. Les mardis sont consacrés au sujet santé. Et la rubrique santé d'aujourd'hui parle de l'importance des consultations prénatales pour une femme en grossesse. En effet, les consultations prénatales sont très cruciales pour les femmes enceintes. Et oui, cependant, peu de femmes euh, de Dogondouchi, région de Dosso, effectuent les quatre consultations recommandées durant la grossesse. Soumana Haruna, médecin-chef du district sanitaire de Dogondouchi, explique au micro de Hasumi Gourouza. Quand on fait une analyse de nos indicateurs, euh, nous constatons que beaucoup de femmes eh, n'arrivent pas à faire euh, la quatrième constatation prénatale. Alors qu'aujourd'hui, le Niger et ses partenaires, en tout cas, veulent aller jusqu'à huit constatations prénatales. Même les quatre, en tout cas, on n'arrive pas à les atteindre. Le, problème se trouve euh, surtout par rapport à la première constatation prénatale. Aujourd'hui, une femme qui tombe enceinte pour découvrir euh, qu'elle est enceinte, il faut peut-être 4 euh, à 5 mois. Pour commencer la première septembre, une femme qui commence la première CPN en 5 mois, 6 mois, il sera difficile d'avoir même 3 CPN avant d'accoucher. Alors que l'idéal veut à ce qu'aujourd'hui, la femme, dès qu'elle constate qu'elle a un retard de menstruation, un retard des règles, donc immédiatement, elle doit se rendre dans une formation sanitaire pour confirmer la grossesse. Dès que la grossesse est confirmée, elle doit commencer la constatation prénatale. Dès les premiers mois, ça va lui permettre en tout cas d'avoir le nombre de visites souhaitées. Mais beaucoup de femmes une seule CPN, deux CPN, au maximum trois CPN, déjà elles vont accoucher. Alors que l'indicateur qui permet de suivre la femme jusqu'à l'accouchement, en tout cas, n'est pas atteint. Docteur, quelles sont les causes qui empêchent les femmes enceintes de faire les quatre consultations C'est toujours euh, le comportement communautaire. Il y a un problème, euh, en tout cas, de prise de décision. Euh, vous voyez, aujourd'hui, la femme qui tombe pour la première fois enceinte, et parfois, c'est une honte pour elle de dire qu'elle est enceinte, tout ça là. Elle va cacher la grossesse. Même le mari parfois n'est pas au courant de cette grossesse. Et avant qu'on ne découvre qu'elle est enceinte, elle est déjà 4-5 mois. Et même si elle commence la première CPN en ce temps-là, ce serait difficile d'avoir euh, en tout cas les 4 visites souhaitées. Docteur, quels sont les risques auxquels elles sont exposées On a beaucoup de complications. Surtout pendant ces périodes de haute chaleur, beaucoup de femmes qui font des crises d'éclampsie. Et les crises de Kramsi, communément appelées en Hausa Chéri, en tout cas, ça tue. Ça tue beaucoup de femmes. Ou ça entraîne d'autres complications qui sont vraiment mortelles pour la femme. Alors que si la femme a en tout cas commencé très tôt la constatation prénatale, l'hypertension serait en tout cas découverte très tôt et la prise en charge qui va améliorer l'état de santé de la femme jusqu'à l'accouchement. Est-ce que vous les sensibilisez par rapport à ces complications que vous venez de citer Oui, il y a des sensibilisations. Sensibilisation, on en fait. C'est pourquoi je dis à chaque opportunité, à chaque situation, quand il y a les recoupements avec les femmes, ou bien au niveau communautaire, on dit toujours d'intégrer, en tout cas passer le message. Vous savez, au niveau communautaire, euh, le changement de comportement, c'est un long processus. Je pense qu'on va arriver un jour, mais pour l'instant, beaucoup reste à faire par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, l'indicateur CPN4, en tout cas chez nous, ça souffre beaucoup. L'idéal veut à ce que le premier mois de grossesse, je viens, je commence mes constatations prénatales. À chaque mois, je viens pour faire le suivi. Ça va me permettre d'avoir un bon suivi pour moi-même, pour l'état de santé de mon enfant et accouchement normalisé au niveau des CIC. Croyez-vous qu'il y aura une prise de conscience au sein de la communauté. La communauté va comprendre parce que beaucoup de communautés ont déjà compris. Et je dis c'est un long processus, mais ça va venir un jour. Le chemin est très long quand même, mais ça va venir. C'était la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs, poursuivant en musique avec cette fois-ci les groupes de l'orchestre Baba et de l'Ader. Voici pour vous les titres Forces armées nigériennes. interprété par l'orchestre Babaye de Lader, honore avec ferveur les forces armées nigériennes, en particulier celles stationnées à Tilia. Et oui, Habiba, en mêlant rythme traditionnel, moderne et paroles envoûtantes, la chanson rend hommage au courage et au dévouement des soldats, de ces soldats, excusez-moi, qui, au péril de leur vie, protègent la nation. Leur engagement inébranlable et leur esprit de sacrifice résonne à travers chaque note, rappelant à, à tous la valeur de leur mission pour la défense du Niger. Voilà, à l'instant, c'était bien le titre Forces armées nigériennes de l'orchestre Babaye de la DER. Place à l'écho des régions et direction d'Amagram pour euh, euh, savoir comment s'organisent les chasseurs lors de la sortie du sultan. C'est une euh, tradition ancestrale et qui tend à disparaître. Et eh oui, c'est nous À l'occasion de certaines fêtes traditionnelles, le sultan est entouré de beaucoup de chasseurs qu'il invite pour la circonstance afin d'apporter de l'éclat à sa sortie. Eh oui, mais cette euh, caste est, en train de, se rétrécir du jour au lendemain. Et la région des Anders ne compte euh, qu'un peu plus de 1800 chasseurs recensés selon Issoufou Wakili, voilà, Wakili, représentant de chasseurs, à cause de l'interdiction de la chasse de certaines espèces et de la modernité. Mustafa Mamansani nous édifie plus à travers ce reportage du jour. La profession de chasseur, à l'image de beaucoup d'autres, fait partie des vestiges du passé ici à Zender, s'il n'est pas le premier car l'ancêtre trouvé sur place et dont le nom de Zender de Riveray fut justement un chasseur, Il se qu'il y chasseur du sultanat du Damagaram. Ici au palais, lorsque le sultan doit recevoir des invités ou lors des grandes fêtes, il lance un appel. Et au cours des grandes cérémonies, il n'amène avec lui que le chef des chasseurs et celui-ci ne doit être lié à aucune histoire de caste. Il peut donc lui demander toutes sortes de bêtes. Nous avons des chasseurs qui vont souvent en brousse, mais maintenant, il y a une réglementation en place qui réduit la fréquence des chasses, alors que la force d'un chasseur, c'est d'aller en brousse. L'origine même du nom Zender est dérivée du nom d'un chasseur, Zenderma. Et pour la ville de Zender uniquement, nous comptons au moins 300 chasseurs. Et si nous devons inviter les autres, il pourrait y avoir plus de 1800 chasseurs qui sont enregistrés auprès du Tikama, le chef des chasseurs. Le chasseur travaille aussi avec des esprits. Personnellement, mon fils et mon frère sont tous des chasseurs. Il y a aussi plein d'enfants de chasseurs qui se présentent, voulant exercer aussi. Et jusque-là, nos enfants n'ont pas abandonné. Cette caste, jadis nombreuse à Zender, est en train de se rétrécir, constate le sociologue Mamansani Rufai, même s'il reconnaît sa place pour le sultanat du Damagaram qui continue de l'entretenir. Quand vous prenez les Damagaram historiques, le sont les plus nombreux. Les explorateurs qui avaient écrit sur les Damagaram à leur passage, on raconte que c'est la majorité de la ville de Damagaram est constituée de, de ces guerriers-là. Or, si on compare maintenant, ils sont seulement retranchés au niveau de certaines familles et certains de certains villages périphériques de la ville des Andes La de beaux jours de aussi longtemps que la chefferie de Damagaram restera, qui continue d'entretenir ces familles-là, sachant pertinemment qu'ils jouent un rôle important pour la visibilité euh, du sultanat en termes de visites touristiques, en termes de festivités, quand il y a des fêtes, c'est eux qui accompagnent les sultans. La présence des chasseurs est tout de même très forte lors des fêtes traditionnelles où ils répondent à l'invitation du sultan. Mais au vu du tournant matérialiste que prend le monde, on peut craindre un rétrécissement plus important des chasseurs au Damagaram. C'était un reportage de Mustapha Mamansani et on profite de ce reportage pour faire un coucou à toute la population de la région des Indères qui nous suivent en ce moment sur cette émission Les Niger sur Kalangu. Sinon, on prend une pause et on revient juste après. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. C'est l'heure du sport euh, et nous sommes avec euh, notre chroniqueur du jour, Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Sino, bonjour Abiba. Bonjour Hassoumi. Alors Gourouza, la Super League du Niger se poursuit activement dans les différents stades du pays. La 32e journée a pris fin, n'est-ce pas Gourouza Oui Sino, je m'en vais vous donner d'ailleurs rapidement les quelques euh, résultats. Akokana d'Alit a été battu par la GST de Tawa sur le score de 0-1. AS Police a perdu également 1-2 devant le SEL Sporting Club de Niamey. Victoire de Urana Darlit, 1 but à 0 devant Espoir de Zender à domicile. Adosso Tagour Provincial s'est incliné 1-2 devant l'AS Fan de Niamey. L'AS Garde Nationale et le Zumontan fait match nul 0 but partout. Olympique a perdu devant le Liberté sur le score d'un but à 2. 0-1 entre la douane et Renaissance de Alors Gourouza, parlez-nous de quelques rencontres au programme pour la 33e journée. Oui Abiba, cette 33e journée va débuter dès demain 3 juillet 2024. L'ASFAN va accueillir les rouges et blancs de la course olympique. La garde nationale croisera le fer avec euh, les douaniers et la JSC de va recevoir les gendarmes sur leur installation. Pour en finir avec euh, la Super League, euh, je m'en vais vous donner rapidement le classement provisoire de la 32e journée. La L'AS National occupe euh, la première place avec 67 points devant l'AS Fan 64 points, AS Nigelec 3e avec 56 points, la Douane 51 points, 4e. Alors, Gourouza, le COSNI a célébré la journée olympique le samedi dernier, n'est-ce pas Oui, c'est nous. C'est une journée qui est célébrée chaque année par les comités olympiques euh, Objectif, c'est de faire découvrir l'olympisme à travers le sport. Cette journée est célébrée à quelques semaines seulement des Jeux olympiques de Paris. Au Niger, les activités se sont déroulées au siège du Comité olympique du Niger, où plusieurs activités se sont déroulées, dont le taekwondo, le judo, l'athlétisme et le cyclisme. Le thème, je vous dis, retenu cette année, unir le monde pour combattre, pour compatir dans la paix. Grouza. Trois de nos compatriotes ont décroché des médailles au Brésil pour l'Opium de Parana. Euh, oui, Abiba, il s'agit de Jabri Idi Umaru, catégorie de moins de 58 kilos qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris. Il, obtient, il a obtenu une médaille d'or. Daouda Karimou, médaille d'or également, dans la catégorie de moins de 70 kilos. Et Oumar Asra, médaille d'or également. Les trois Nigériens vont participer à ces Jeux Olympiques de Paris voilà pour le soir. Merci Guruza pour euh, toutes ces informations sportives. À présent, c'est le rendez-vous, euh, n'est-ce pas, de, du portrait. Oui, Alors Abiba, qui est notre star du jour Né en 1994 à Koigolo, une localité de la région de Dosso, Abdelkader Aboubakar Saleh est un jeune étudiant en deuxième année de master en genre et développement au département de sociologie à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et oui, Abiba euh, Kader a consacré une partie de sa vie dans le bénévolat. C'est pourquoi il a intégré les structures des jeunes qui valorisent le don de soi. Son portrait avec euh, moi-même, Ali Moukela Ousseini. C'est parti. Le jeune de 28 ans milite dans plusieurs structures de jeunesse, notamment les scouts. Sa principale vision, être utile à sa communauté en faisant du bénévolat. Une vie qui ne rend pas service à la communauté, une vie qui n'aide pas les autres, vraiment une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Et donc c'est ça notre plus grande inspiration, c'est vraiment servir. Et dans le bénévolat, on apprend à être utile aux autres, on apprend à être utile à sa société. Et je me dis que eh, c'est ce que l'ensemble des jeunes hein, doivent se dire. Il ne faut pas seulement rester et demander qu'est-ce que moi je peux avoir, qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que X ou Y peut faire pour moi. Il faut surtout se poser la question qu'est-ce que moi je peux faire pour X ou Y, qu'est-ce que moi je peux faire pour ma communauté. Les multiples responsabilités que Abdelkader occupe dans la vie associative ne l'empêchent pas de poursuivre ses études en sociologie. Il explique comment concilier les activités. Euh, lorsqu'on est organisé au focus sur les objectifs qu'on s'est fixés, c'est facile de gérer ce calendrier-là qui semble un peu trop énorme. Mais quand même, s'il y a une bonne organisation et la volonté nécessaire qu'il faut, on peut les gérer. Surtout que dans la vie associative, c'est surtout les dons de soi, le bénévolat. Lorsqu'on est bénévole, il suffit tout simplement d'organiser son temps et savoir quelle partie de la journée accorder à chaque euh, préoccupation. Des actions très appréciées par son entourage qui d'ailleurs perçoit Abdulkader comme un modèle à suivre. Justement, c'est la satisfaction de ces derniers qui lui donne le courage de continuer. De l'instant où on voit sur le visage de quelqu'un à qui on a rendu service un petit sourire s'afficher, on a assez de carburant, assez de force pour continuer à servir. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais bon, on s'y fait parce que c'est aussi ça, il faut être engagé, il faut apprendre la responsabilité de le bazar. C'est surtout ce qui nous aide à arriver à gérer. Des jeunes comme Abdul Kader doivent servir d'école aux autres qui attendent beaucoup de l'État et ses partenaires. Merci Seno pour ce portrait inspirant. Nous allons boucler notre playlist avec le titre C'est ma destinée de l'artiste Hakim. C'est Hakim et le plan B. Je suis désolé parce que rapper c'est ma destinée. Je vais cartonner, donc charbonner, jamais abandonné. Ils m'ont saboté, j'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Je vais m'isoler, pour pilonner, envie de m'en aller. Mon vieux m'a dit mon fils vas-y que Dieu te protège Sois courageux même si ta vie c'est comme l'envers du décor T'es mal le meilleur rappeur qui te passe le message La ça donne des pesos et puis ça donne des péchés J'ai mal à la tête terres barres nous mon passé Et nos dévancés ont refusé de nous pousser Et moi j'ai osé et ce game je vais le baiser Les tabous je vais les briser La tebu je vais les guiser Les plus talentueux sont souvent les plus sous-cotés Je fais un big up à mes fans et ceux qui m'ont supporté tas te chasse à 5 bébé tu mets du coton Maintenant le ma fini, s'il te plaît, mets-toi de côté. Est-ce que tu connais tous les coups que j'ai encaissés Le seul commissaire, dis-moi pourquoi tu poses des questions. Mais c'est le juge préfère une femme à zéro dossier. Orange, blanc, vert, c'est le drapeau que je vais hisser. J'ai trop de rêves, mais les vautours m'empêchent de dormir. C'est mon image qu'ils veulent ternir. Le ballon sur c'est un corner. Ça prend une tournure, ils quand je viens en tourner. Je les écrase comme la fourmi, je réfléchis toute la journée. Faut que la quantité, moi j'ai la qualité. Faut que les entités, moi j'ai qu'une identité. Faut que la chasteté, faut que les amitiés, faut que les faux frères s'entendent de protection. Hugo, je le désolé, Parce que rapper, c'est ma destinée. C'est ma destinée. Je vais voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Ma Destinée, chanté par l'artiste Hakim. Le Niger sur Kalangu se poursuit avec euh, la chronique Lotti. Oui, c'est non. Et dans les lotis d'aujourd'hui, les femmes du studio Kalango partagent les meilleures pratiques pour s'occuper des enfants pendant la saison de pluie. Et oui, ces conseils incluent ainsi des astuces pour assurer la sécurité des enfants pendant les, intempéries, voilà, je vais y arriver, les intempéries euh, afin de prévenir les maladies liées à la saison des pluies. Écoutons Hawa Ousmane, Mariama Jarmakoy et Samira Rouafi. Masukiji, Masukiji, ji Maso Kiji, Hey! Masaki-ji ku abokaina yaya ne ake ciki a wannan lokacin na damuna kuna ganin gata nan ta shigo da ƙarfi ina ta shawarwari ni kadai na ce tsaya dai in taɓo ku ya ne kamata mu kare yaran ma a wannan lokacin ya ne hamsa kina lahiya to ni ina ganin kamar yana da muhimmanci mu kula da kayayyakin da suke sawa ya kasance kuma kamar masu zahi ne a sa musu wasu hulluna don mima ba mu sa musu abubuwan nan da ake sa ga hannu don kare kananan yara don kaɗari ya samu ya kama su. haka ne zara na yarda amma yaya za mu yi da gidaje yaya za mu yi gidanmu ya kasance kullum a cikin dumi kuma yara su shi daɗin zaman shi haka take amsa ki ta yi daidai anna ina gani yana da mahimmanci sosai mu tsabtace gidajenmu a kodayaushe sannan kuma mu kula sosai da shiga da fice na yara kina da gaskiya fahimsa kuma ina so in tambaye ku me za ku ce game da abinci da wani ruwan sha ko abin sha hakan ga Shin kuna da wasu shawarwari da za ku ba mu ta yadda za mu ba yaran mu abinci na kwarai mai gina jiki a cikin wannan lokacin na sanyin damana? Haka ne Zara, ina gani lalle ya kamata a ba su abinci masu gumi da kuma masu gina jiki. Sannan kuma mu kula su riƙa shan koko mai gumi da zazahi. Hakanan zai sa sanyi ba zai kama su ba. To, ni yanzu kun yi zancen zazahi, kun yi zancen a gungun ɗaki. To, kun san da cewa yara ba su zama sun ta waje. ya kuke ganin cewa idan sun ta yi wajen nan za su zama cewa suna cikin kariyar rashin kamuwa da sanyi su zamana kuma a kodo jikinsu a cikin gumi gaskiya hamsa wagga tambaya ce mai mahimmanci ni a ganina yana da mahimmanci mu kirkiro musu wasu wasa da ya kamata su yi wanda za a tabbatar da cewa ba za su kamu da sanyi ba kuma kayayyakin da suka sa sun dace da yanayin da muke ciki kuma a tabbatar cewa da sanyi zai fara sabka ko za a fara ruwa a tattaro yara duka a sasu cikin gida lalle na yarda zara na gode yan uwana mata da wannan hira da muka yi mai mahimmanci ina ga yanzu na samu dabaru mai da dama ta yadda zan kula da lahiyar yarana kuma in kare su daga sanyi a cikin wannan lokacin damana madalla anna a jimilce dai zan iya cewa kawai mu kiyaye kuma mu ɗoki hanyoyin da suka dace saboda ta haka nan ɗaya ne za mu samu mu kare mu a cikin wannan lokacin na damana da kuma sanyi da ke ta shigowa. To kun gani aka ce shawara ɗaukan ɗaki ‘yan uwana gashi nan mun yi tattauna kuma mun samu dabaru. Allah ya kare mu da mu da yaranmu. Na gode muku. Amin. Grand merci aux desk femmes de la rédaction pour ce multiple conseil. À présent, accueillons Assoumana shina pour la culture linguistique à hausa Bonjour Assoumana. Bonjour Habiba, bonjour Seno. Oui, bonjour Rachina, bienvenue dans cette émission. Alors, quel est le mot du jour Le mot du jour, c'est coopérative. Euh, et tout de suite, je, je vais en Hausa. D'accord. Tumar la masarar mu barkama da wani lokaci. Kama idan wani lokaci yake ana shigo da wannan shiri mai baku damar samun wata ma'ana kalmomi. A yau kuma kalmar da muka ita ce coopérative da Faransanci. wato dalilin haka kuma shine ranar da ranar ɗaya ga watan juye na kowace shekara ana ranar ce da aka keɓe da ta ƙasa da ƙasa wato dangance da wannan cooperative in ita dai cooperative eh, da hausa ƙungiya ce ta haɗin gwiwa mai cin gashin kanta ta mutane da aka haɗa tare da amincewarsu don biyan bukatunsu na tattalin arziki zamantakewa da kuma al'adu ta hanyar kasuwanci ko waɗansu ayyuka na daban ƙungiya ce wadda mambobinta suna gudanar da al'amuranta ta hanyar demokradiyya wato ba kama karya ƙungiyar haɗin gwiwa tana da dokoki da ake bi wajen gudanar da al'amuranta wato wajen tafiyar da ayyukanta kenan to da yake hannun jari ne mambobi ke sakawa don tafiyar da ayyukan ƙungiyar alhakin kowane mamba ya danganta da kimar hannun jarin da ya saka wato da girman kason kuɗaɗe da mutumin ya saka don gudanar da wannan kungiya ana kafa kungiya haɗin gwiwa saboda tana ba da gudunmawar ci gaba mai ɗorewa na al'umma bisa ga shirɗin da mambobi suka tanada sannan ita dai ana iya cewa a takaice kafa kungiyar haɗin gwiwa na nufin rage talauci daidaiton jinsi wato ganin cewa Eh, maza da mata sun tashi kama eh, daidai ba bambanci kenan ba wata fiyayya sannan a tabbatar da wadatar abinci musamman abinci mai gina jiki wanda hakan ne ke sa a sami wato kyautattar rayuwar ta al'umma kun sha takaice ma'anar wannan cooperative wanda ke haɗin wato kungiyar haɗin gwiwa kenan da hausa a cikin wannan shiri na yau to mun gode asmana marla Chers auditeurs, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ay o so zenono shew ibrahim ni gine se han kan egba aranga eh, radio kalangu bore radio kalangu ingana ga hangan da bayan ne wo dokoro di du hankali gaba ara matontani se lokaci kai gino din radio kalangu radio no kanga borno alhabaru haikul kante radio kalangu ni aga ke labora aga hima ara mutonten irse lokaco kan aga labaru no hadan ga kana shi gumo zama radio no kanga borno baru kan manci tare wanno cimi wanno hankan labora anga no gici se radio kalangu radio kalangu radio no kan ir bayan nan go eh il ko ma cimo il go ga hangan da bayan irga bara mutonten irse lokaci kan aga labaru no aban naka abubakar ahmed zango nirmaniya gaskiya ni kin sali zana tizara zana sasale a radio a studio kalangun fi sallah wasu da yanta da ya zage wayewa kullum nara ta wunda ta gini sallah su nagara zana na wulle wulle to ni kini zara ta nagar rosala na zuwa karhe biyar da daga stuwar ta shatan nerfi to an ta daga nagar rosala kullu wanda wannan masu na madal kullu wannan fai na madal to waje gawar tilan gwamnati na kal studio kalangun gazan da gazan da mara sun sallah armada wara de wanna studio kolongu den tamara da sassa girna da tawansa sortin nigara agala kunna ninda je kullar ta gawa ya komi da komi grant jela nigalar ta ya kasa girin bayar na ta makan da ayo kolon kullu de da sun sallo marra gaskiya ni kinar ta ya gani burgi ya wulle wulle wanda studio kolongu da salon kullu wannan mas ne wannan skar ne wannan mas ne wannan magana wannan mas na giyon kullu de da tan nigaro nigaro sassigri ya masa ya amfana wulle wulle insha Allah tabarakna Allah gaskiya radio studio kolongu ni kini gaskiya ne can fani tilzrin tulle wulle salizadin ne sallin sunana sagaji malam sani mai kasat ɗalibin jami'a mazaunin birnin kwanni abin da muke kira da studio kalangu kuma muke fata a wannan sabon shekara game da tsarin da muke so su kara gare mu masu sauraron su muna son su hiddo wasu shirye-shirye bisa wanda ya shahi ara ma matasa waye musu kai game da shaye-shaye game da harkar dabanci game da shiga kungiyoyi na mafiya da sauransu wannan shirin muna son studio kalangu ta yada shi tunda studio ne wanda ko ina ana jin cikin kasar Niger kenan shi na da unhwani a ce wannan tsarin shigo da shi game da kuma ci gaba na daya mata rage yin karuwanci rage yin shaye-shaye shaye-shaye wanda ke kai su zuwa da halaka duka wannan shiri ne wanda muke so su da kalungu a ce ta ki kuwa game da wayin matasa ta generation ce wadda ta yi yawa ta matasa kuma haka bisa abin da shahi gida siyasa ko kuma abin da shahi kiwon lahiya to muna so a ce akwai shiri na musamman kuma mu matasa muna so su da kalungu a koda yaushe kuma muna ƙara jinjina musu da ayyukan da suke yi kuma muna godiya saboda matasa su ne kashin gadon bayan al'umma kenan komai za a yi da matasa akan shi kenan muna son su gane matasan nan su ne manyan gobe Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission de ce mardi 10 juillet 2024. Rendez-vous est pris pour euh, demain à la même heure. Vous étiez avec euh, Habibou Ahmed, et eh, Habiba, autant pour moi, Ahmed et Ali Moukela Ouseni. L'édition a été assurée par Adam Adawaki et la technique c'était Seni Isaka. Vous pouvez nous réécouter sur notre site web le www.studiokalangu.org ou sur la page Facebook du Studio Kalango. Pour rappel, nos émissions sont archivées. Passez une excellente journée. Bye bye. Ciao, ciao.